m'appelle Véronique, je viens de France. Je passe quelques mois au Sénégal. Un peu résident, entre guillemets. Euh, on a entendu, oui, euh, qu'il y a deux cas de coronavirus euh, au Sénégal. Sans plus, pour le moment, on n'est pas inquiet. Je pense que le risque existe, mais bon, pas. Ça fait. Bon, on suit les infos, comme tout le monde. On est inquiet, oui, parce qu'il y a la famille et tout là-bas, mais les précautions, je crois, que sont prises euh, assez au sérieux. Mais de là avoir peur, pour le moment, non. On verra peut-être dans le futur, comme ils disent, il faut attendre quelques semaines pour voir si ça se calme ou si ça. Non, non, pas forcément. Je pense qu'il y a des soins aussi ici, hein, euh, à l'extrême. Faites confiance. Non, on n'a pas de masque, on se lave les mains, voilà, on fait attention à ça. Mais ça, on l'a toujours fait. Hein. Il y a des cas de palu aussi, il faut faire attention. Hein. On prend nos précautions, euh, comme avec les crèmes euh, anti-moustiques. Euh. on a l'antiseptique sur nous quand on sort, pour se laver les mains. Mais après, je ne vois pas d'en faire vraiment peur, peur. Et nous sommes là pour nous reposer tranquillement dans un pays d'accueil qui s'appelle la Taranga, si je me rappelle bien, c'est ça Alors le coronavirus, je pense que c'est un problème mondial et dans les pays qui sont froids actuellement. D'après ce que j'ai entendu, hein, n'est-ce pas Stéphane, euh, il ne tient pas au-dessus de 24 degrés. Je pense que les gens ici peuvent être tranquilles. Il ne faut pas toucher évidemment le contaminé, mais euh, les postillons, ça sèche tout de suite au-dessus de 24, comme il fait 30, 36 la journée à l'ombre et 24 la nuit le soir, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'il ne va pas aller plus loin que coronavirus. Il va rentrer chez lui, il va retourner en Chine <laughs> tranquillement. Déjà, vous allez en France Alors, <laughs> j'étais en France il y a 10 jours et j'étais content de rentrer, voyez-vous, parce que là-bas il fait très froid, très humide et l'ambiance n'est pas terrible, c'est pas le moral. Tout le monde a peur en montant dans les taxis, les taximans ont peur des quelqu'un tous. Les magasins commencent un petit peu à se vider parce qu'ils ont peur de, évidemment qu'on soit bloqué chez nous. Et moi j'étais très content de prendre RC légal pour revenir. Ah moi je vis plus en France, je vais en France parce que c'est mon pays et j'ai ma famille. Mais ici c'est ma retraite. Ah bah là, il n'y a aucun problème. Donc avec ce nouvel aéroport, je connaissais l'ancien, où on peut pas dire c'était très organisé, mais le nouvel... aéroport ah non, jours, non, il n'y avait pas encore la, mise en route des, normes d'hygiène et de sécurité. Ma femme ici, infirmière, m'en a averti il y a trois jours, un stage à fatigue, et ils ont reçu les consignes de sécurité d'hygiène il y a trois jours. Donc les précautions à prendre, les symptômes que vous avez, et ça, ça a diffusé d'une façon nationale sur des, encarts et des, affiches, pour que les gens soient avertis. Alors nous, en tant qu'expatriés français, normalement, on reçoit du consulat des des avertissements qu'est-ce qu'il faut faire en cas de maladie. Là, si le consulat ne nous prévient pas, c'est qu'il considère que ce n'est pas un pays à risque. Ça n'empêche pas un petit risque quelque part d'un contaminé qui viendrait faire ses vacances ici. Mais je, on nous a pas reçu, on n'a pas reçu d'instruction du, consulat de France en nous avertissant qu'il y avait un danger, qu'il fallait prendre des précautions particulières. Je pense qu'ici, euh, les gens sont assez développés maintenant pour comprendre ce que c'est qu'un virus. Et ils disent une épidémie, moi je dirais une pandémie, puisqu'on arrive dans le monde entier à avoir ce genre de virus. Mais si euh, les virologues disent qu'à 24 degrés, le virus n'est pas viable, ici on est tranquille au moins parce que nous avons des températures exceptionnelles d'ailleurs pour la saison. Hein. On a des 24 la nuit, 26, et là on est à 36, 38 il y a 4 jours, des températures énormes. Donc je pense que le Sénégal, euh, tous les pays chauds sont protégés contre ce genre de, mais évidemment, il ne faut pas embrasser, à contaminer sur la bouche ou, <laughs> ou du serrer la main et se lécher les doigts après. Ça, euh, hein, surtout une chinoise ici, voilà. Faut, faut, éviter les chinoises. <laughs> évitons, les évitons les chinoises de près, mais de loin on peut les voir, c'est pas... 6 ans. 6 ans Ouais. Euh, waaw je comme nous niñ koy hein. donc moi il y wax cas pour l'instant peut-être Amna Dakar bon c'est vrai que gol sur Sali, comme le guide, Mais mais de terewul ñi ngi jël précaution comme li mu d'utiliser euh, les gels qu'il faut éventuellement di dans le réseau bon du aussi voilà comme ça on utilise rien que, que ce geste. Voilà, et je pense que c'est c'est les gestes qu'il faut, qu'il faut euh, utiliser. Et nous, par rapport à l'immobilier aussi, euh, c'est vrai que suñ ci defee psychose cause day tax tey peut-être euh, clientèle bi waroon ñëw dans le cadre de l'immobilier war a ñëw loger dem ci restaurant yi day tax ñooñ dootuñ ñëw donc c'est important ñu bàyyi ci xel euh, matuwaay ci war état bi mu ngi koy jël ñu ñu fexe ba def de telle sorte que dal mu baña doon lo xamantene euh day encore commerce bi fii ci biir Sénégal mais amuñ ci benn problème nit ñaa ngi dox seen ndox biir sali ñi ngi continuer seen i activité mais tout temps di bàyyi xel di jël matuwaay yi ci war waaw loolu daal mooy sunu xalaat quoi defuñu ko kaa ñuy continuer di dund suñu dund daal waaw ñu leen di jaajëf